ces tragédies, les difficultés que ce virus amène dans le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un jour important que nous pouvons encore saluer. L'union fait la force. Chaque fois que le Sénégal, les Sénégalais sont ensemble, tout ce qui arrive, on domine. Et donc je tiens à le remercier à l'encourager, à le féliciter pour cette démarche et dire aux Sénégalais, dire aux Africains, parce que n'oublions pas que le président Macky Sall, c'est un leader, son leadership dépasse nos frontières. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est repris et considéré. Donc écoutons-le. Quand nous sommes en guerre, il y a un chef. Et ce chef, écoutons-le, accompagnons-le comme on dirait si wolof bu mu ñu gën a gore